bonsoir et bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire euh, du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du phénomène de la mendicité euh, des Nigériens à l'extérieur. L'actualité, c'est aussi les mesures incitatives prises par le gouvernement nigérien pour faire face à la cherté de la vie au Niger. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur l'attaque d'un bus de transport de passagers la semaine dernière entre Terra et Petelkolé à la frontière euh, du Burkina Faso. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Ousmane Sidikou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Abba Yarimi, journaliste à la radio alternative. à Arimi, bonsoir. bonsoir. Et El Haj Mahamadou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. El Haj Mahamadou Suleiman, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 25 mars par le phénomène de la mendicité au Niger. Le ministre porte-parole du gouvernement, Tijani Abdelkadri, a animé un point de presse mardi dans l'après-midi à Niamey sur la présence des ressortissants nigériens s'adonnant à la mendicité dans les rues à Dakar au Sénégal. Ce point de presse fait suite à une réunion tenue le même jour au palais de la présidence de la République. Sur instruction du chef de l'État, un certain nombre de mesures ont été prises. Abachari le gouvernement déplore cette pratique qui jure d'avec nos valeurs sociales et religieuses. Elle est également interdite par les lois et règlements de la République, euh, déclare le porte-parole du gouvernement. Comment expliquer la persistance euh, de ce phénomène Merci euh, Mokhtar. Tout le monde déplore euh, cette situation. Et ça fait vraiment mal, j'imagine en tout cas, à tous les Nigériens qu'on rencontre des Nigériens comme nous dans toutes les rues de la sous-région ouest-africaine et au-delà parce que euh, en 92, quand il y a eu la canne au Gabon, beaucoup de Nigériens ont été attrapés à Libreville, mis dans le bateau et retournés à Cotonou parce que c'est euh, du Bénin que les gens rejoignent les pays de l'Afrique euh, centrale. Et vous vous rappelez, avant que la loi contre la migration illicite ne soit prise, n'est-ce pas euh, Le président de l'époque, euh, Amadou et le ministre de la Justice de l'époque, Moro Amadou, ont aussi eu à dénoncer cette situation qu'ils ont qualifiée d'humiliante pour les Nigériens en Algérie. Euh, malheureusement, il faut juger euh, cet aspect de la chose avec beaucoup de lucidité, à mon avis. Parce que, quoi qu'on dise, un, moi je suppose que naturellement, il n'y a aucun être humain, particulièrement il n'y a aucun Nigérien qui souhaiterait tendre la main à longueur de journée. Alors, alors qu'est-ce qui ne va pas euh, du moment où euh, certains pays de la sous-région ont quand même les mêmes réalités que le Niger euh, Je te prends un exemple simple. Il y a quelques années, quand on était encore tous ici jeunes, il y a certaines certaines nationalités qui étaient euh, stigmatisées de pratiquer la prostitution. Aujourd'hui, euh, ces personnes ont disparu. Euh, parce que tout simplement, il y a un regain économique dans ces pays-là. Parce que les gens sont devenus tout simplement moins pauvres. Quand. selon vous, c'est la pauvreté qui explique. malheureusement, il y a de l'abus. Il y a de l'abus moi, on m'a montré une vieille ici à Niamey, n'est-ce pas, qui est propriétaire d'un moulin à grains là et d'un célibatarium, mais qui continue à mendier. Parce que c'est devenu une sorte de vice à son niveau. C'est devenu son métier. C'est-à-dire ses parents même viennent, il y a un autre vieux, euh, son, le petit frère, euh, donc son neveu, l'a ramené à la maison avec euh, de l'argent, de la nourriture, et il a dit, il s'engage à le nourrir jusqu'à la fin de la vie tant que lui-même il est vivant. Mais le, vieux, un jour, le petit n'a fait que le découvrir à un rond-point en train de tendre la main. Donc, c'est devenu un problème vraiment social très grave et que ni la violence, ni vraiment la, la réaction un peu épidermique ne saurait résoudre. C'est un problème de fond il faut que toutes tous les secteurs vraiment de la société s'y mettent. Les marabouts ont un rôle à jouer, n'est-ce pas Les parents ont un rôle à jouer, chaque citoyen a un rôle à jouer et l'État a un rôle à jouer. Mais il faut accompagner, à mon avis, l'écrasante majorité de ces personnes-là, malgré tout, sont dans les besoins. Il faut aller voir dans la ceinture verte comment ces personnes-là dorment, n'est-ce pas Comment le matin, pendant un jour, vraiment pendant la saison euh, entre janvier et février de bonheur si tu vois un enfant, une fratrie de trois enfants, je ne sais pas si c'est des frères et des sœurs, en tout cas un garçon et deux filles, la grande doit avoir 7 ans, la petite, la, celle qui est au milieu 5 ans et un petit qui doit avoir à peine 3 ans. Sans chaussures, sans vêtements contre le froid, en train de tendre le, matin le, la main devant le chaïman, déjà le jour-là, je me rappelle, tout le monde avait parlé de, cette situation-là. Donc ce n'est pas que les gens veulent, à mon avis. En tout cas, l'enfant qui fait ça, il ne veut pas. Ailleurs, il y a des processus pour prendre en charge un enfant qui n'est pas, dont les parents ne s'en occupent pas. Ça n'existe pas chez nous. Avant, la société était bien organisée. Quand quelqu'un est incapable, le voisin, le parent d'à côté peut s'occuper de lui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La solidarité a déguerpi de chez nous parce que même celui qui peut donner est devenu pauvre. Donc, la pauvreté est pour beaucoup dans, cette affaire-là, mais euh, il faut aussi sensibiliser parce que à côté de nous, euh, au Mali, au, au Bénin, au Togo, les gens vivent presque dans les mêmes conditions que nous, mais ils ne tendent pas la main chez eux. Aujourd'hui, nos ronds-points sont envahis. Tu es pratiquement agressé devant la boulangerie, devant la pharmacie, là où toi-même, tu vas parce que tu es en urgence. On ne sait même pas si tu en as assez pour payer le produit que tu vas amener à l'enfant qui est à l'hôpital. Mais il y a quelqu'un qui va quand même t'accoster. tu, sors pour rentrer dans une boutique, tu n'es même pas rentré dans la boutique qu'il y a quelqu'un qui t'accoste devant la voiture. Donc c'est extrêmement grave. Ça pèse énormément sur tout le monde. Mais c'est un problème social sérieux qu'aucune urgence ne peut régler. Je crois qu'il faut aller dans le fond. Ousmane Sidikou, euh, des instructions ont été données par les autorités à tous les démembrements de l'État concernés en vue de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour démanteler les réseaux criminels et endiguer euh, ce fléau, poursuit le porte-parole du gouvernement. Quelle est votre opinion à ce sujet euh, lesquelles, instructions <laughs> La question reste posée, Mokhtar. à l'instant, à en aujourd'hui, il n'y a personne qui ne s'est senti offusqué par rapport à ce que nous avions vu et entendu euh, de l'autre côté euh, au Sénégal. C'est dire quoi Aujourd'hui, la mendicité, même si à un part du postulat que vraiment euh, aucune condition de précarité ne serait justifiée ce à quoi nous sommes en train d'assister en termes de mendicité, laquelle mendicité, conviendrez avec moi, a pris des proportions assez, assez, assez, assez grandes. La preuve aujourd'hui, rien qu'à Niamey, eh, prenez eh, vraiment les, différents carrefours. Eh, il est rare de ne pas trouver une femme à la limite euh, avec euh, quatre gosses. Et là où je dirais, je, rappelle à Armi, à l'époque, c'est social. Mais aujourd'hui, cette mendicité, elle tend à être commerciale. à l'époque, c'était aussi des invalides, justement, des personnes en situation de handicap. À un, moment donné, à un moment donné, euh, on avait vu euh, au niveau des, différents carrefours la police en, train de faire des descentes pour prendre euh, ces, mendiants et leurs conducteurs, comme ils les appellent, pour pouvoir les rapatrier. Donc c'est là où je dis, elle est devenue commerciale cette mendicité. Mokhtar, comment comprendrez-vous que qu'un mendiant puisse d'ici au Sénégal, avec, pour beaucoup, hein, selon les informations, ce ne sont pas de leurs femmes c'est leur conducteur, ils les louent, ils sont à leur charge. Imaginez le frais de transport qu'ils ont déboursé pour aller là-bas. L'un dans l'autre, vraiment, euh, ils ne sont pas excusés. Tout le monde est coupable, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, euh, en les rapatriant, à ah, cet effet, vraiment, je salue vraiment euh, l'initiative de, de, de, de l'association des Nigériens de la BCAO qui se sont assez offusqués parce que c'est le terme péjoratif utilisé par les autorités là-bas des réfugiés. Ils sont, ils sont tous des réfugiés. Bon, ça. Mais malheureusement, ces mondiales ne sont pas uniquement qu'au Sénégal. Il y en a un peu Tout à fait. Donc maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est là où je dis, Bénin, tout, le monde, tout le monde est coupable et tout le monde est responsable. Aujourd'hui, euh, vraiment. Euh, euh, on doit savoir d'où est-ce qu'ils sont, mettre à contribution les leaders religieux, les leaders coutumiers, les autorités, euh, euh, comment on appelle, locales, vraiment de mener cette sensibilisation. La plupart, c'est des femmes. Mais est-ce que hein? c'est un problème de sensibilisation Non, c'est-à-dire on doit mettre tout le monde à contribution. Aujourd'hui, par exemple, si c'est ceux qui sont le cas de, ceux qui ont été déclarés au Sénégal, qu'on nous dise, qu'on identifie, ils viennent d'où on met à contribution le préfet, l'autorité, le chef de canton, bref, vraiment les ressortissants. Il faut les mettre à contribution. Chacun a sa part euh, de, responsabilité dans cette histoire-là. Mais reconnaissons que vraiment, elle n'est que commerciale. Arimi l'a dit aujourd'hui, c'est-à-dire, même, même à la mort, ne soyez pas surpris qu'on vous accoste pour vous dire des gens vous exposent euh, euh, leur situation de précarité. Donc c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de venir dire que non, des mesures, des mesures, non. Même avant de, vouloir éradiquer le phénomène au niveau de la sous-région, ici même à Niamey. à l'interne, voilà. En fait, ce n'est pas pour couper euh, mais ce, problème, ramener les gens ne résout pas le problème. Moi, j'ai été à Kanché, où les femmes m'ont dit qu'elles se sentent dans une prison à ciel ouvert, qu'ils disent que dès qu'ils ont l'opportunité, qu'elles ont l'opportunité, elles vont repartir. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il n'a pas à manger, tu le ramènes chez lui, mais tu n'as rien fait. Et tu lui donnes 26 000 pour nourrir une famille de 15 personnes. Pendant combien de temps Alhaji Mohamed Suleiman, la lutte contre le phénomène de la mendicité n'est pas une euh, décision nouvelle au Niger. Euh, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché, selon vous euh, euh, avant de parler de, de la lutte, de la, euh, permets-moi un peu de parler un peu de la, cause de, de la mendicité. C'est, ça, vraiment, euh, l'entrée du doigt, vraiment, euh, il y a des gens qui sont vraiment mis par la pauvreté, le manque, le dénuement. là, on ne peut rien, effectivement, ils tendent la main pour pouvoir chercher à, manger. Mais s'ils sont bien portants. Mais il y a beaucoup justement qui se résigne parce que par notre culture, on a quand même le sens euh, aussi de la dignité. Ceux qui le font souvent, euh, en majorité, elles sont dans le mais dans la tête, ils ne peuvent pas mentir. Euh, donc, mais il y a en majorité la soif du gain facile il parle des cantiers quand effectivement dans certaines localités, les gens qui vont qui en Arabie Saoudite, qui en Libye, ils viennent aujourd'hui, c'est des propriétaires euh, en tout cas qui sont, qui sont riches. Commercial. Donc, ça donne envie d'aller faire comme l'autre. Et c'est pas seulement vraiment au Niger, au Nigeria, un peu partout dans son état africain, en tout cas qui vont en Arabie Saoudite, un peu partout. Ça, le phénomène, il est, courant. Il y a des gens qui ont vraiment ceux qui ont le goût vraiment de, de bien facile effectivement développent On l'a dit au Sénégal, par exemple. Euh, c'est cela la vérité. On peut retrouver, il y a quelqu'un qui là-bas qui a témoigné en tout cas euh, que tu peux retrouver une vieille dame ménopausée avec euh, cinq gosses comme, comme ses, enfants. Et même les formalités, les frais de transport, même là-bas sur place, les formalités pour pouvoir donc s'installer, c'est de l'argent. Donc, ces gens-là, effectivement, c'est des gens qui sont à l'effort fortune et même ici au pays qui sont aisés. On a justement, lorsque les gens n'ont pas de cœur, Oh, oh, oh, en euh, euh, Mauritanie m'a euh, <laughs> exposé un cas flagrant où quelqu'un était été écrasé par son bus. Il m'a dit, c'est son bus qu'il a écrasé. Et pour dire que, et ça, l'exemple concret en Mauritanie, ils ont fait un projet où ceux qui ont été ramassés, ont te paye 25 000 le mois, les gens, tous ils ont quitté. Il n'y a personne parce que ce qu'ils gagnent dans la mendicité est de loin plus important que ce qu'on va leur donner. Donc, c'est vraiment dire que euh, j'ai vu justement la situation des autorités. Le président de la République a fait une réunion. Euh, euh, le Premier ministre, hier, a mis un comité certainement on va rapatrier. Oui, ça, vous coupez, Depuis le 1er mai 2019, les autorités municipales de la ville euh, de Niamey ont mis en vigueur une loi interdisant la mendicité dans la capitale. <laughs> Cette loi, euh, puisqu'étant euh, toujours en vigueur, n'autorise la mendicité qu'à seulement trois catégories de mendiants qui sont les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et endettées et les sinistrés victimes de catastrophes naturelles. Cette loi est-elle appliquée sur le territoire de la ville de Niamey aujourd'hui Très malheureusement, cette loi n'a été conçue pour permettre de faire le jeu de à e 2019. C'était ça justement. Mm. On ne voudrait pas exposer notre, misère, notre misère. On a fait le jeu ils ont oublié en tout cas. À très mais, la, la, loi, le jeu, est toujours en vigueur. Mais elle est là, elle n'est pas appliquée. Juste après le jeu, les carrefours ont été euh, occupés, les, échanges, en tout cas, sont là. C'est une réalité. Donc, c'est-à-dire que véritablement, je comprends aussi au niveau des gouvernants, souvent peut-être qu'à trop vouloir euh, réprimer les, les, mendiants, mais en tout cas, il y a des questions euh, qui montrent, je suis d'accord effectivement, est-ce qu'on a vraiment de, politiques politique Parce qu'en vérité, je pense que, comme l'a dit l'exemple vraiment, pour ne pas les citer, c'est des Ghanéens, c'était des, dames du, Nigeria, connues en tout cas, qui occupaient les quartiers pour faire la prostitution. Aujourd'hui, en tout cas, on se rend compte à l'évidence que ces femmes-là, ne sont, en tout cas, en majorité, ne sont, ne sont pas là. Donc, euh, euh, moi, je pense qu'il faut creuser ce que dans nos pays, il y a par exemple, comme nous sommes, vous voyez par exemple, même d'un point de vue religieux, comment, la, par exemple, l'islam a conçoit. Parce que Dieu qui nous a, créés, il sait qu'effectivement, il y aura toujours des nécessités et c'est pourquoi on a conçu des mesures, en tout cas, pour pallier. Faire en quand on dit par exemple que tes voisins, il est mal vu, le musulman en tout cas, qui, qui sort pendant que son voisin est affamé. Et le voisin, c'est 40 maisons de, tous les côtés. Donc vous voyez un peu, il y a que, euh, franchement, euh, moi je suis d'accord que c'est une, une réalité, mais aussi le système est tellement dur que ceux qui devraient aider, si seulement par exemple ceux qui peuvent enlever la zakat le faisaient et on mettait ça à l'exposition des, des, pauvres, on pourrait peut-être euh, réduire en tout cas toutes ces, misères. Bref, euh, moi je pense qu'il faut aller plus en profondeur parce qu'aujourd'hui, quand le gouvernement va, ramener euh, ces gens, vous voyez, il faut les renvoyer au village. Tout cela, en fait, c'est des simplement, en tout cas, parce que, regardez, c'est dans tous les pays, c'est un peu partout. Est-ce qu'on a les moyens de rapporter les Nigériens qui sont en train de La question reste posée et on une courte pause. Passons à présent au second euh, sujet euh, de ce forum de la presse. Le gouvernement nigérien a annoncé avoir pris euh, d'importantes mesures d'allègement fiscal afin de lutter contre la hausse des prix des produits alimentaires et alléger les souffrances des populations. L'annonce a été faite le samedi 19 mars 2022 lors d'une rencontre entre le Premier ministre et les opérateurs économiques à Niamey. La rencontre Présidé présidée par Oumoudou Mahamadou fait suite à celle du 2 mars au cours de laquelle le chef du gouvernement a noté les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques et les consommateurs nigériens. À l'âge Mohamadou Suleiman, face à la cherté euh, de la vie au Niger, le gouvernement prend d'importantes mesures d'allègement fiscal, je l'avais expliqué tantôt. Au cours euh, de la rencontre, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a parlé de désarmement tarifaire sur plusieurs euh, produits tels que la farine de blé, l'huile et le sucre. Peut-on s'attendre à une diminution euh, sur les prix des produits dans les jours à venir au Niger En principe, euh, sauf si les commerçants véreux feront obstacle en tout cas aux mesures envisagées. Il faut vraiment saluer l'initiative du gouvernement qui en amont avait rencontré les partenaires économiques pour les écouter quelles sont vos, doléances, qu'est-ce qui fait problème euh, Parce que quand le phénomène, euh, il est un peu mondial, euh, la flambée des prix, mais aussi au niveau local, il y a des facteurs endogènes et exogènes aussi, tels que l'insécurité, tels que, en tout cas, un de mesures qui sont là, donc il faut... Donc c'est une très bonne chose. Et ensuite, le Premier ministre est revenu avec les opérateurs pour annoncer des mesures. Et comme tu l'as dit, par exemple, pour l'huile, le Premier se dit que c'est 25% des frais de douane qui seront donc euh, euh, la, réduction. Mhm. Euh, pour la farine, c'est 35% et pour le sucre, 17%. Mhm. Donc, en principe, cette mesure intervient dans un contexte où beaucoup d'opérateurs économiques ont déjà fait le plein. C'est pourquoi on ne peut qu'appeler à leur bonne foi, à leur sens euh, qu'ils sont aussi euh, des, des, des, des, humains, des musulmans, donc euh, de mettre en avant vraiment l'intérêt, l'intérêt général. Et je pense que le peuple a insisté là-dessus, et je pense que ce n'est pas seulement le fermer aussi, il va falloir peut-être que vérifier concrètement sur le terrain. Dans tous les cas, le ramadan, malheureusement, malheureusement, contrairement aux, autres communautés, quand il fait, euh, réduit les prix chez les musulmans en tout cas, c'est le contraire. Et ce n'est pas euh, vraiment euh, religieux. Donc, euh, moi, je pense que le gouvernement doit vraiment ne pas, en tout cas, rester comme ça, annoncer les mesures, mais ça, ça, ça, rien faire. Il faut Parce qu'en vérité, c'est certains commerçants, même grossistes et détaillants, le ramadan, c'est l'occasion pour faire les affaires. Et le contexte, déjà, vous voyez, euh, le palais de, la ménage, en tout cas, c'est très, très, difficile. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir de, l'huile. C'est très difficile aujourd'hui. Vous voyez, même, même le pain, vous voyez, cette année, euh, on a assisté à une euh, hausse drastique, en tout cas, du, prix du pain. Donc, moi, je pense que, en principe, si les commerçants vont jouer on pourrait sentir justement ces mesures. Mais ce n'est pas gagné d'avance parce que tout simplement, nous savons le comportement de, de, de, de ce commerçant. Maintenant, vous allez voir euh, pendant le, le, ramadan, euh, on va voir combien le carton de sucre cette année on va, on va, le vendre. Euh, L'huile, combien on va vendre le, le, bidon de, vous voyez, tout cela, en tout cas, on, on, va voir. Mais je pense que, en tout cas, euh, l'idée, elle, elle est, bonne. Mais encore faut-il que si le, le pouvoir pourra davantage convaincre les grossistes de respecter ces, mesures. là, on attend de voir. Ousmane Sidikou, pour le Premier ministre, tout cet exercice, c'est pour que cela se traduise par une baisse pour les consommateurs. Nous comptons vraiment sur vous pour que ces baisses-là ne soient pas des subventions aux opérateurs économiques. Qu'est-ce que le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a voulu expliquer ici Je ne saurais traduire le, fond de sa pensée, mais toujours est-il que il faut pas trop rêver. Hein. Franchement, il ne faut pas trop rêver. Moi, je ne joue pas les oiseaux de mauvais augure, mais la montagne risquerait fort d'accoucher d'une souris. Et survenance, les prix des, des, des, des hydrocarbures, notamment le prix du gaz, c'est pas taverne, arrêtez que le prix, euh, la bouteille de, de, 12, kg kilos, et demi, 3750 mhm. francs. Pour les 12, aujourd'hui, allez voir. C'est à 5 Ils, ont, ça dit, ils ont fait fi de, de, de, de ce qui a été décidé. Donc, moi, je pense que, euh, Mais est-ce que là-bas, le gouvernement n'est complaisant. Justement, c'est de cette complaisance. quand même euh, faire respecter le, ce, Effectivement, cette décision. le gouvernement ne s'est pas donné les moyens pour respecter ce prix fixé, ces prix fixés à travers un arrêté. Je ne vois pas en appelant ou bien en, le, jouant sous la bonne foi de ces commerçants-là. Vraiment, il ne faut pas, il faut pas, il faut pas arriver il faut pas arriver les yeux ouverts comme dirait l'autre. Mais ça allait être très bien dans la matérialisation si ce même gouvernement se donnait les moyens pour effectivement pas de contraindre les commerçants, mais quand même de, de créer euh, les conditions pour qu'effectivement le consommateur ne ressente pas euh, cette flambée. Oui, quel genre de conditions selon vous À travers un suivi, pourquoi pas euh, en mettant en place un comité, une brigade, je ne sais pas comment, se il, doit, se donner les moyens quand même pour aller dans les, dans, dans, dans, les, les marchés, sur le marché, et vérifier vraiment l'applicabilité de, de, de, de ces mesures-là. Auquel cas, vraiment, c'est comme aller prêcher dans le désert. Et d'ailleurs, le consommateur je, plains nous consommateurs qui continuons de payer et de souffrir dans notre âme et dans notre chair cette flambée de ces commerçants véreux. Surtout que vous l'avez dit, beaucoup se sont ravitaillés en prélude à ce mois ah qui est une aubaine pour se frotter les mains. Alors je l'ai dit, dans d'autres pays, les gens profitent euh, du, ramadan pour vraiment revoir à la baisse, mais tout le contraire. C'est pas le cas ici au Niger. Très loin d'être le cas et c'est dommage. Ah bah, Oh, pour la facture certifiée qui constitue un grand point de préoccupation pour les opérateurs économiques. Elle va être progressivement élargie à presque euh, tous les opérateurs euh, pour éviter la concurrence euh, déloyale, a indiqué le chef du gouvernement, Oumoudou Mohamedou. Comment faire pour le retour à la sérénité Écoutez, cette histoire-là, comme disent les Hausa, ça veut dire quoi C'est-à-dire le peuple, le consommateur, le dernier consommateur là, c'est lui le dindon de la force. Autrement dit, moi je ne crois pas, si je me trompe, que Dieu me pardonne, ni à la capacité du gouvernement d'imposer quoi que ce soit aux commerçants nigériens, parce qu'on a vu avec le gaz, avec l'enchérissement. Avec, oui, avec le gaz butane, oui, mais avec l'enchérissement des coûts de, des frais de scolarité. Où est-ce qu'on en est On ah. a dit aux gens de ne pas augmenter. On va revenir là-dessus. L'année est en train de finir. Elle est même finie. Hein? Donc, euh, ceux qui payent ont déjà payé et bon, sinon ton enfant reste à la maison. Chaque ramadan est l'occasion pour augmenter les frais, le, prix des marchandises. Moi, je prends l'exemple que j'ai retenu en mémoire, l'exemple du kilogramme de banane. C'était 500 francs. Euh, euh, un mois de carême est arrivé, on a augmenté à 700. Ce n'est plus redescendu jusqu'à aujourd'hui. Et cette année, on risque de passer à 800 ou 900. OK. Et donc ça, c'est le consommateur de tous les... Il y a quelque chose qui manque dans la chaîne. C'est de véritables associations de défense des droits des consommateurs. Nous n'en avons pas dans ce pays en réalité. En tout cas, ils ne font pas leur travail. Oui, ils ne font pas leur travail. Tu dois te mettre vraiment corps et âme du côté de consommateurs. Les gens ne le font pas. Et le gouvernement, on a connu ce pays-là quand il y avait le contrôle des prix. Quand ils rentrent dans les marchés qui ne respectent pas, les commerçants fuyaient, tout le monde fermait et fuyait. Parce qu'ils pouvaient même ramasser ta marchandise et aller distribuer ça en prison. Aujourd'hui, tous nos commerçants, vraiment, j'ai dit que Dieu nous pardonne s'ils arrivent à le faire, c'est la bonne chose, mais ils ne vont pas le faire. Parce que, on se dit, des musulmans, on se dit que c'est le mois le plus béni de l'année que nous avons. Mais nous ne parvenons pas à passer dans les actes. Tout le monde va gêner, on va tous avoir soif, n'est-ce pas On ne va pas manger. Et c'est tout ce dont on s'abstient. Le riba, le renchérissement, l'intérêt, vraiment le bénéfice exorbitant, toutes choses interdites par notre religion, mais les gens ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Parce qu'on est habitué. Est-ce que ce n'est pas pour ça que ça ne marche pas dans notre pays Il faut se poser la question. Parce que si tu te dis musulman et que tu n'agis pas comme un musulman, le Dieu, lui, ne dort pas. Et c'est ce qui nous arrive, malheureusement. Moi, j'espère que le gouvernement, sauf si vraiment il y a beaucoup de commerçants, je ne sais pas, parmi les hommes politiques, ou qu'est-ce qui se passe. Parce que tout ce qu'on renchérit, tout, c'est-à-dire est-ce que le gouvernement nigérien a aujourd'hui les moyens ou même la capacité de contrôler les prix des, produits Ils doivent, ils doivent. Nous, nous n'avons que. C'est à eux que le peuple a eu euh, confiance, n'est-ce pas Tout ce qui reste, ce n'est que la violence, que les gens se servent sans payer. C'est tout ce qui reste. Et il ne faut pas qu'on en arrive là. On peut même faire le lien avec les gens qui vont à l'extérieur, qu'on veut ramener. N'est-ce pas Un jour, les gens vont se servir. Je suis persuadé, c'est dans des situations comme ça qu'il y a eu la grève des battues, que c'est des choses qui peuvent arriver où les populations vont marcher et se servir de boutique en boutique, de pillage, toutes choses qu'on n'a pas l'habitude dans ce pays, mais qui peuvent arriver. La violence, déjà, on y fait face. C'est nos jeunes, c'est nos parents, c'est nos enfants qui, qui, qui, ont rejoint l'autre camp et qui sont en train de tuer. N'est-ce pas Donc, il faut éviter, il faut prendre les mesures pendant que ça s'impose. Mais il ne suffit pas de faire des annonces. Non, l'école, on va casser, machin, les gens vont aller à l'école, il n'y a rien. Le gaz, s'il vous plaît, simple gaz. <laughs> Moi, je pense que ce n'est pas le vendeur de gaz de mon quartier là qui peut résister à une décision du gouvernement qui va dire que désormais, c'est 3750 et on nous vend à 5000. 000. C'est-à-dire on augmente à peu près le tiers du prix au vu et au su de tout le monde. Et on accuse le petit revendeur qui est déjà à la, porte. Là. On dit que c'est lui qui l'a imposé. Est-ce que n'est pas dû au, fort lobby euh, des promotionnels du gaz C'est la même chose avec les camions qui rentrent dans la ville et mhm. qui causent vraiment des accidents à des heures vraiment de pointe. On n'arrive pas à l'empêcher. C'est des éléments vraiment qui ne mentent pas, c'est concret. On prend des décisions, on décide, on écrit noir sur blanc, mais on n'arrive jamais à appliquer. Le policier qui est au rond-point, ne fera que constater que voilà, il est là. Il peut arrêter, on va appeler, on va dire qu'il libère cette, voiture. -là. Mais qu'est-ce qui se passe Le pouvoir et l'argent, ça, doit se séparer. Si les gens, tout leur appartient, ok, ils n'ont qu'à dire et eh, au peuple à décider ce qu'il faut. Vous, avez quelque ah. chose à ajouter, rapidement Oui, je pense que ce qui a été dit, c'est vraiment de dire que oui, le gouvernement a fait une très bonne, euh, action de communication on voudrait que véritablement ce qui a été annoncé dans les faits qui est suivi. Parce que bon, dans tous les cas, les commerçants, quand vous augmentez les taxes, ils vont encore profiter pour récupérer, augmenter aussi les prix. Mais si vraiment on a euh, délibérément euh, décidé de réduire les frais de douane, il faudrait aussi qu'ils tiennent compte, euh, donc qu'on sente que vraiment la bonne foi que vraiment ce qui a été fait n'était pas inutile. Quoi. Et pour cela, justement, il va falloir, en tout cas, qu'il y ait un contrôle, quoi, en tout cas cette fois-ci. On observe une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse euh, de ce soir est relatif à la situation sécuritaire au Niger. Des hommes armés non encore identifiés ont pris pour cible un bus d'une compagnie nigérienne de transport le 16 mars en début d'après-midi entre euh, Tira et Petelkolé à la frontière burkinabé. Bilan 19 morts, 5 blessés et 7 rescapés rapporte une source par ailleurs, sur le lieu de l'attaque, un autre véhicule de transport gros porteur aurait été incendié avec deux de ses occupants calcinés, précise la même source. Ousmane Sidikou, en octobre 2021, trois policiers nigériens avaient été tués et plusieurs autres blessés lors d'une attaque d'hommes armés non identifiés contre le poste de Collé. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché Écoute, euh, Mokhtar, on ne peut que s'incliner devant la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie au cours de ces attaques, tout comme euh, le bus incendié, et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, à Petelkoli, dans le département de Bankilari, région de Tilaberi, on ne peut que déplorer, puisque ce poste, vous l'avez dit, n'est pas à son premier cas de, violence perpétrée par des individus euh, non identifiés. C'est dommage, c'est lâche, c'est barbare, c'est triste. Euh, on ne peut que, qu'espérer que soit renforcé euh, le dispositif sécuritaire. mais, ce qui est inquiétant, quand mhm. euh, ça qu'on s'en est pris à des policiers permissionnaires en civil, vraiment, ça dénote, ça pourrait soulever beaucoup d'interrogations. C'est là où je tablerai beaucoup plus sur la collaboration entre ces FDS et ces mêmes populations. Parce que c'est intrigant. Ça aurait été qu'ils étaient, euh, c'est vrai, on dit qu'à l'heure sonne, ça sonne, mais en permission, en civil, et que qu'on s'en est pris au bus dans lesquels ils sont, au passage avec euh, autant de passagers. Mais comment expliquer la vulnérabilité euh, de, ces postes de police Bon, vous savez, je ne vous apprends rien sur nos frontières qui sont assez larges, qui plus est poreuses encore. On ne peut que qu'espérer qu'il soit renforcé davantage le dispositif sécuritaire mis en place. Donc, euh, je pense que les autorités, euh, du mieux qu'elles peuvent, sont en train de vouloir vraiment euh, sécuriser les personnes, tout comme leurs biens. Je prierai que cela aussi euh, soit suivi d'effets de l'autre côté à travers le Burkina, pourquoi pas le Mali, afin que cette zone qui n'a assez qui souffert d'attaques perpétrées, des assauts de ces djihadistes-là, puisse vraiment être sécurisée et que vraiment les compagnies de transport puissent s'adonner à leur activité et que les populations euh, continuent à, vaquer comme cela se, doit à, leur euh, occupation. C'est dommage, mais prions que les dispositifs sécuritaires soient renforcés davantage et au passage, j'insiste là-dessus, euh, il faut vraiment inciter les populations vraiment à collaborer parce que euh, elles ont vraiment une grande partition à jouer dans le cadre de cette collaboration, aussi bien avec les FEDES que les autorités locales. Donc, euh, tablons là-dessus et prions Dieu euh, pour que le bout du tunnel soit pour bientôt quant à ces différentes attaques que de subir la localité de Pétalcolé. Entre le Niger et le Burkina Faso, il y a des problèmes. Est-ce qu'il ne faut pas initier un convoi de militaires qui accompagnerait les passagers Bon, je ne suis pas expert en, stratégie militaire, mais moi je pense que, euh, je pense ça, c'est mon avis que je donne à mon humble avis. Les trucs d'escorte, est-ce que ce ne serait pas exposé davantage Parce que c'est visible en quelque sorte. Donc, voyez-vous, il euh, ils n'ont qu'à œuvrer vraiment pour la sécurisation, euh, parce que quand ça escorte, moi je pense que ça expose beaucoup plus, ça, non seulement ça attire, ça expose. Maintenant, en exposant, en ont-ils les moyens d'y faire face c'est là où je ne serais pas trop tentant quant à l'instauration ou bien ramener le truc de convoi militaire. Mais je prierai que vraiment euh, la synergie soit renforcée davantage à travers les trois pays pour une sécurisation des lieux afin que les populations puissent euh, vaquer à leur occupation et que vraiment la paix euh, revienne sur, dans cette partie de Mahamadou Souleymane, euh, fin février, le président nigérien Mohamed Bazoum a annoncé avoir amorcé euh, des discussions avec euh, des djihadistes dans le cadre de la recherche de la paix. Quelle est votre opinion à ce sujet ben, Je pense que dans une situation de, de crise où il faut l'admettre, le problème sécuritaire demeure malgré tous les efforts qui ont été faits donc, à mon humble avis, il n'y a pas de solution à écarter. Si effectivement euh, dialoguer avec euh, les communautés ou bien avec certains éléments des communautés qui sont parties prenantes dans le conflit pourrait résoudre le problème, en tout cas, je pense que c'est une très bonne chose. Mais on se rend compte que il y a, malgré cela, la calamité dont, on parle, en tout cas, on a très vite un peu constaté que la situation se détériore. Euh, <laughs> effectivement, nous sommes dans un contexte euh, euh, de guerre asymétrique où, en tout cas, les terroristes surprennent, surprennent en tout cas, ils vont toujours programmer une attaque. Et puisque, en vérité, c'est eux qui ont le secret de ce qu'ils veulent. Oui, mais est-ce qu'on peut discuter très clairement avec des gens qui n'ont pas de revendications réelle réelles non, en ce qui concerne la dernière allusion, en tout cas, du président de la République, ce qu'il a dit, c'est des, euh, Nigériens ici qui sont bien identifiés et des personnes influentes aussi, je crois, dans, leur localité, qui devraient être approchés en tout cas, si elles peuvent parler à leurs enfants, en tout cas, de revenir dans la République. Euh, c'était ça l'idée. Mais il y a une certaine euh, polémique qu'on peut comprendre justement parce que tout simplement, en vérité, euh, lorsque ces gens, tout ce qu'ils ont fait comme euh, forfait, même dans le cadre le plus normal, quand on apprend qu'on est en train de dialoguer avec eux, ça peut frustrer, ça peut offusquer certains citoyens. mais en vérité, je pense que la sécurité n'a pas de prix. il appartient aux autorités d'initier tout, en tout cas, à, voir, à explorer qui pourrait permettre d'avoir, d'avoir la paix. Je pense que c'est ça la vérité. La guerre se fera par les moyens militaires, mais aussi par d'autres moyens, parce que dans tous les cas, au finish, si euh, nous avons, nos, euh, en tout cas, nos frères qui sont, c'était le cas, malheureusement, par exemple, vous avez vu, euh, dans le cas de la rébellion Touareg, on a quand même pu trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, on ne parle plus de rébellion Touareg mais c'est un autre phénomène aujourd'hui qui est devenu mondial, le terrorisme, où ceux qui sont en train de perpétrer cela euh, n'ont d'autres idéologies que véritablement euh, semer la violence. Semer la violence, s'enrichir euh, et franchement euh, perturber un peu la vie normale. Et je pense que cela, il n'y a pas de de, de, dialogue possible parce que tout simplement, ils ont une vision obscurantiste qui ne est pas du tout avec euh, la vie normale. Donc, euh, il n'y a que la force pour le, pour le contendre. Mais je me rends compte que, euh, franchement, la situation se, dégrade parce que vous voyez un peu, quand on, observe l'exemple du Nigeria, quand je dis le Nigeria, à, comparer avec nos pays, c'est une puissance militaire et économique mais qui n'a pas pu véritablement venir à bout avec un, mouvement euh, comme, Boko Haram. Comme, Haram. Aujourd'hui, euh, la, confusion qui, est aujourd'hui avec le kidnapping, j'ai simplement, on a la vie impossible. On va venir enlever une, euh, une, une, famille, en tout cas une femme. il, faut, il faut payer les, les, les, C'est un phénomène aujourd'hui qui un peu partout. Donc, vous voyez, en vérité, je pense que s'il y a des synergies, en tout cas, tous les moyens qu'il nous faut franchement, il va falloir utiliser notre euh, génie euh, pour en tout cas qu'on vienne à bout. Abachari Arimi. Selon la Fédération nigérienne de cyclisme, deux de ces cyclistes euh, pensionnaires d'un club au Burkina Faso euh, figurent euh, parmi les passagers du bus tué. Ils se rendaient à Niamey avant de partir pour l'Égypte afin de participer au championnat d'Afrique en tant que journaliste sportif nigérien. Comment avez-vous appris la nouvelle? Euh, écoutez, c'est par euh, l'entremise d'autres collègues euh, journalistes. Ensuite, il y a eu le communiqué du COSNI, le Comité olympique nigérien. Et voilà, c'est quelque chose d'extrêmement grave, vraiment, qui s'est passé. Oui, les autres aussi, c'est des citoyens nigériens, mais ces deux-là font partie de nos meilleurs cyclistes. Nous en avons. Oui, Ouais. Nous n'en avons pas euh, beaucoup, n'est-ce pas Parce que, euh, comme beaucoup d'autres sports, le cyclisme, qui était l'une des disciplines phares au Niger, a reculé. N'est-ce pas Ceux-là, généralement, bon, avec le travail de la Fédération nigérienne d'athlétisme, de, de, cyclisme, mais aussi avec leur effort personnel, comme ça se passe pour beaucoup de sportifs euh, nigériens, ont pu euh, tapé dans l'œil du recruteur et était en train d'évoluer au Burkina Faso quand tout ça est arrivé. Il venait voir la famille vraiment. Et donc il faut déplorer ça. Coïncidence pour coïncidence, il y a quelques années, on avait voyagé, euh, j'ai voyagé avec l'équipe nationale de judo jusqu'au Mali par la route. Je me rappelle, à l'époque, euh, Alternative n'avait pas de radio, mais j'étais tenu de faire un appel euh, pour la voix du Sahel pour dire à l'époque, j'ai dit, ne vous étonnez pas un jour quand un lion va manger euh, un, athlète nigérien. Donc c'est le pire qui est arrivé, ce n'est pas un lion, mais des athlètes de ce niveau, normalement, ça ne voyage pas par la route. Ça ne voyage pas par la route. Et d'ailleurs, c'est comme les policiers d'ailleurs, ils font partie aussi des personnes qui sont recherchées par euh, les terroristes, n'est-ce pas Parce que euh, tuer un athlète, tuer un policier, tuer une autorité, ça, ça fait une, action d'éclat. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé. Euh, vraiment, quand une équipe nationale, quand quelqu'un qui représente les drapeaux, le drapeau national voyage, créons les conditions de les faire voyager dans des conditions idoines, c'est-à-dire par l'avion, mais, est-ce que aussi la, et tout dans les meilleures conditions. est-ce que la Fédération nigérienne du cyclisme était au courant de ce, de déplacement Certainement non. Certainement non, mais c'est aussi dû à leur précarité. Aujourd'hui, euh, Sadio Mané ne va pas voyager par la route, même de Ouaga à Niamey, sauf s'il a envie vraiment de faire de la villégiature, n'est-ce pas c'est aussi la précarité qui crée ces, conditions euh, de voyage. Parce que je dois économiser. Si je viens, ma famille qui est là, mon maman qui est là, mon papa qui est là, je dois leur donner quelque chose. Je dois économiser. Donc, il faut que, souvent, on ne paye pas les stars chères parce qu'on veut euh, taper dans l'œil. Non, c'est aussi pour les sécuriser. Donc, c'est ce qui n'est pas euh, arrivé. Malheureusement, bon, on est des musulmans, souvent, on dit c'est ce qui, doit arriver et, arriver. Mais prenons les précautions vraiment euh, qui s'imposent. Maintenant, au-delà, quand une action comme ça arrive, euh, Alain Suleiman a donné des pistes de réflexion, hein, mais il faut souvent aussi savoir pourquoi ce bus et pas d'autres. Est-ce qu'une simple coïncidence N'est-ce pas Parce que généralement, jusque-là, ils ne s'en prenaient pas aux gens qui sont sur euh, les routes principales ou à cause des militaires ou parce qu'ils ont choisi de ne pas le faire. On ne sait pas. Il faut qu'on sache tous ces aspects-là. Pourquoi les gens parviennent à aller jusqu'à jusqu'à Gao, euh, c'est permis. Euh, pourquoi les bus continuent à aller à Ouagadougou, c'est permis. Est-ce que c'est parce que c'était sécurisé et qu'il y a eu une baisse de, de laquelle ils ont profité Tout ça, il faut qu'on sache parce qu'il faut analyser toutes intervention pour pouvoir savoir quoi entreprendre après, parce que c'est dangereux. Merci à tout le monde. Euh, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Ousmane Sidikou, journaliste indépendant, Kari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Elhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme Dissidio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios et 7 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum à Oussa et dimanche, le forum en Zarma. Merci à la technique euh, Régisson assurée par euh, Mustapha Ayouba et à la réalisation Issa Lawali. Merci, au revoir.